Chers téléspectateurs de la télévision Tambara, bonsoir et ravi de vous retrouver euh, sur le plateau pour le débat, le rendez-vous de la rédaction. Le rendez-vous de la rédaction aujourd'hui qui va se pencher sur trois points. Nous allons parler de l'actualité aujourd'hui euh, nationale, donc le 9 février 1990, ou comme vous savez, 30 ans déjà, où les scolaires, donc euh, les étudiants, de, les étudiants donc, du Niger sont en train de réclamer jusqu'à présent euh, leur leurs droits par rapport justement aux événements qui se sont survenus un 9 février 1990, donc 30 ans jusqu'à présent. Rien n'est fait et nous allons parler avec donc euh, nos invités sur ce plateau de ce sujet. Deuxième point, ça sera bien sûr le réaménagement technique intervenu vendredi sur décision donc euh, du Premier ministre Brigitte Raffini. Le député Mokhtar Gado Sabo remplace le ministre Kalla Motari à la tête du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Troisième point pour terminer, ça sera par exemple, euh, nous allons donc euh, parler euh, de l'enrôlement biométrique. Euh, comme vous le savez euh, déjà, le lancement a eu lieu hier au niveau donc du gouvernement, gouvernorat de la région de Niamey pour ce qui concerne Niamey et c'est la zone 1. Voilà, pour débattre de ces points, j'ai sur ce plateau, comme d'habitude, nos invités. Il s'agit à ma droite de Son Allah Dambaji. Monsieur Dambaji, bonsoir. Bonsoir. Merci donc d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. J'ai à ma gauche un euh, notre invité également. Il s'agit de l'acteur de la société civile nigérienne, M. Daouda Bouraima. Bonsoir. Bonsoir. Merci en tout cas pour votre présence sur ce plateau. Merci. Et de l'autre côté également, j'ai un autre acteur de la société civile nigérienne, M. Salia Abdou. Merci. Salia Ibrahim. Salia Ibrahim, autant pour moi. Donc, M. Salia, bonsoir. Bonsoir. Avec nos trois invités, nous allons euh, discuter, comme je venais de le dire à l'instant, nous allons d'abord euh, débuter euh, ce débat par le 9 février, puisque nous sommes aujourd'hui à 9 février, et nous allons parler euh, de ce 9 février 1990. Euh, Aujourd'hui, ça fait 30 ans que le monde estudiantin euh, commémore les événements tragiques survenus sur le pont Kennedy, faisant à l'époque donc trois morts du côté des étudiants. 30 ans après ces événements, est-ce que justice a été rendue, Monsieur Soala merci Madame. avant de répondre à votre question, permettez-moi quand même de transmettre euh, toutes mes vives condoléances aux victimes du 9 février et à la grande famille de l'USN. Uh-huh. Et je pense bien que 90, euh, 2010, euh, ça fait 30 ans. Uh-huh. Ça fait 30 ans que la justice, on est en train de chercher que la justice soit faite, mais malheureusement, les masques ont tombé aujourd'hui à la 30e année. Uh-huh j'ai dit les masques ont tombé, sont, ont parce qu'il euh, il y a une situation où des acteurs qui ont participé à cette revendication aujourd'hui, ils sont dans le système et eux qui gèrent euh, le centre, en réalité, l'épine dorsale dorsales mhm. de pouvoir déclencher. Et aujourd'hui, euh, l'histoire les a rattrapés. Mhm. L'histoire les a rattrapés, et je fais allusion aujourd'hui, quand vous prenez au moins les deux ministres principaux, et qui, qui, ont milité dans l'USN, je parle du ministre de la Justice mhm. et le ministre Moura Amadou est le ministre porte-parole du gouvernement. Ah Sans parler aujourd'hui de l'ensemble, l'ensemble du système et le produit euh, en réalité de cette lutte. Ah ah. Et aujourd'hui, l'ensemble du système, vous avez vu, et, fait fi et, et, saute oreille par rapport à ces revendications. Pire aujourd'hui, franchement, selon moi, le fait même qu'aujourd'hui, le 9 février, les scolaires n'étaient pas sortis et pouvoir reporter et, cette marche au lundi, moi je vois ça comme vraiment euh, c'est une insulte à l'égard des martyrs, uh-huh. parce que euh, euh, ce qui est important, c'est la conviction. Ce qui est important, ce n'est pas la masse, c'est la date. Il faut coûte que coûte la commémorer et, la faire révéler à ceux qui n'ont pas compris qu'est-ce que signifie cette date. Mais le fait de déplacer cette marche, je pense bien que c'est extrêmement euh, euh, euh, décevant à tel enseigne qu'aujourd'hui, moi personnellement, je regrette cela. Deuxième point, ce qui a amené même les événements du 9 février aujourd'hui et, et depuis 90, c'était la situation désastreuse des conditions euh, euh, socio-académiques euh, des scolaires nigériens dans sa globalité. Mais quand vous faites référence à réalité par rapport à cette situation de 90 et que vous faites comparaison à la situation actuelle, vous vous rendez compte que vaut mieux la situation de 90 est plus réluisante mhm, du point de vue socio-académique que la situation actuelle que les scolaires vivaient aujourd'hui. Et malheureusement, vous avez vu que la lutte ne fait que s'effondrer et elle est arrivée à la limite à, sa, à son déclin total parce que le système éducatif n'a jamais pris un coup sérieux dans le traitement de la situation scolaire et, comme dans ce système. Je m'explique parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, et, même sur le plan académique, et quand vous prenez, et, ça aurait été que les syndicats n'ont pas fait un sursaut mm. par rapport à, ces différentes revendications. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, du primaire à l'université, on peut avoir des enseignants qui peuvent aller enseigner. Tellement que les uns et les autres sont euh, frustrés et ils ont compris que la dynamique qu'on veut plonger le système éducatif est une dynamique euh, vraiment de, dépravation et de démantèlement total. Et aujourd'hui, vous avez vu, et, effectivement, et rien que les conditions euh, euh, socio-académiques des scolaires nigériens sont vraiment dans une situation regrettable. Et cela euh, trouve son essence, malheureusement, par ceux-là qui ont bénéficié de cette lutte. Aujourd'hui, comme ils connaissent le système, ils ont déchiqueté le système, l'a infiltré politiquement à tel enceinte qu'à tous les niveaux, ils ont pu eh, créer une situation de, non-vivacité, de créer une certaine eh, eh, une situation de disunion pour, pour pouvoir empêcher aux scolaires de se réunir et de défendre leurs intérêts. Malheureusement, aujourd'hui, nous, nous, sommes face à cette réalité et que je pense bien que les scolaires euh, on ne les demande pas de venir faire euh, euh, des débrayages, c'est-à-dire créer une situation ingérable, mais ils ont euh, intérêt quand même à se rappeler de cette date mm. fatidique où c'est des, vies humaines qui ont été sacrifiées pour qu'ils soient ce qu'ils sont, c'est-à-dire surtout les dirigeants syndicaux, qu'ils se comprennent en réalité que ces politiciens, en tout cas, ne constituent pas la politique qu'ils défendent. Parce que l'USN a une politique. Sa politique, c'est la défense des, intérêts matériels et moraux des, militants mhm. et qu'elle est incompatible avec la défense de la politique gouvernementale. Et je pense bien qu'il faut que l'USN arrive à se dire qu'elle constitue une force et elle doit être respectée. Mhm. Elle doit être respectée à tel enceinte que je pense bien que les dirigeants syndicaux de l'USN doivent se dire que le tribunal de l'histoire ne rate pas et il sévit autant et pourtant et personne n'échappera en réalité au tribunal de l'histoire. Et par rapport à ça, je pense bien que on ne fait que leur souhaiter bonne chance qu'ils puissent se ressaisir parce que ce qu'on constate à travers euh, cette situation, en tout cas, c'est une situation décevante. Du jour au lendemain, nous avons constaté que le combat euh, au sein de l'ISN ne peut que prendre un coup sur et, et dans les perspectives de pouvoir mettre ses militants dans ses droits et, que fort malheureusement, euh, euh, les gens ont euh, d'ailleurs créé la situation à ce que ces scolaires soient divisés politiquement, soient divisés même par affinité qu'on ne dit pas, alors que l'USN, c'est un cadre le mieux structuré et le mieux planifié du point de vue texte qui permet de faire une lutte commune pour défendre les intérêts scolaires nigériens. Ok, monsieur Daouda, qu'est-ce qu'on peut retenir <coughs> un temps après Donc, Aujourd'hui, 9 février 2020, les scolaires nigériens commémorent le 30e anniversaire de la théorie du 9 février 1990 et en essayant de faire une analyse rétrospective, je crois que là a déjà fait l'ébauche de ce qui a amené les événements du 9 février 1990. À l'époque, d'abord, les scolaires nigériens revendiquaient tout simplement l'amélioration de leurs conditions de vie et de leurs conditions d'études. Et pourquoi je ramène ça C'est pour voir les problèmes qui existaient en 1990 et les problèmes que le monde scolaire est en train de vivre en 2020. madame, en 1990, les scolaires nigériens demandaient la réouverture des internats. C'est ça l'une des revendications principales. Réouverture des internats. Ça veut dire que sur le plan fourniture et autres, là, il n'y a pas assez de problèmes. Mhm. Chemin faisant, le gouvernement ne pouvait pas faire face aux doléances des étudiants et des scolaires. Au lieu de négocier, ils ont utilisé la manière forte, ce qui a provoqué la mort de deux étudiants, un lycéen et plusieurs blessés. La population, ou disons les forces vives de la nation de l'époque, se sont saisies du contexte ...pourra rentrer dans la danse et cette fois-ci poser des revendications purement politiques. Parce que vous savez qu'en 1990, on est toujours au niveau du régime d'exception. Et toujours en 1990, on, a, a, on est rentré dans l'ère de la dislocation du bloc soviétique. Mhm. Il a eu donc le triomphe du libéralisme démocratique, donc de la démocratie libérale. Alors, avec euh, ces forces internes et externes, les travailleurs se sont joints aux, aux scolaires pour demander l'instauration du multipartisme intégral. Il y a eu assez de moments, ce qui a contraint le, le gouvernement de l'époque à accepter le principe de la convocation d'une conférence nationale souveraine pour faire le diagnostic de l'ensemble des mots qui minaient à l'époque le pays. C'est là où je vais revenir à ce que disait son Allah. Ce qui est bizarre, c'est que en 1990 et même pendant la conférence nationale, presque tous les acteurs se sont retrouvés aujourd'hui au niveau de la gestion, à quelques exceptions près. Les seuls peut-être qui actuellement ont essayé de garder une ligne directrice que l'USNA nous a inculquée à travers les formations, je n'ai pas peur de le dire, c'est certainement Moussa Tchangari qui à l'époque était en réalité le président de l'UNUN, parce que ce n'est pas ceux qui étaient, parce que l'autre là, le monsieur porte-parole actuel là, n'était pas le leader à été du mois scolaire, on l'a juste pris comme étant le porte-parole du grand groupe USN au niveau de la conférence nationale. Mais le leader réel, c'est Moussa Tiangari. Lui, il a pu garder quand même sa ligne. Et il y a Nouharzika également, qui a pu garder d'une manière ou d'autre sa ligne. Et vous allez comprendre pourquoi ces deux-là, ce n'était pas facile que les partis politiques les récupèrent. Parce que ils ont acquis une formation idéologique que l'USN a inculquée, qui ne peut pas les accepter de devenir les femmes d'hommes politiques. Mhm. Ça, c'est très difficile. Et c'est justement ce euh, qu'est-ce que l'USN. Au niveau des textes, et certainement, même au niveau des textes actuels, ça peut exister. Dans le temps, quand même, c'était l'article 3, mhm. qui demandait d'abord le respect des principes de l'Union des scolaires nigériens et d'accepter également d'avoir l'esprit de suite même de la vie post-scolaire. C'est l'article 3. Ça veut dire que tout celui qui n'a pas eu à garder cet esprit au moment où il militait, en réalité, c'est comme si il était réactionnaire, mais les camarades ne le savaient pas. Mhm. Mais heureusement pour nous, l'histoire est têtue. Aujourd'hui, les mêmes choses que nous revendiquons sont encore la pire. Le corps ne va pas. Deuxièmement, les mêmes personnes qui ont porté le flambeau de l'USN pour demander justice pour la théorie de février 1990, il y a mon ami, le ministre qui est ministre de la Justice. Mm-hmm. Il a géré du nom des scolaires de l'USN. Moi, je, l'ai succédé. Mm-hmm. Il a de tout revendiqué, il a déposé des mémorandums. Aujourd'hui, l'histoire lui a donné la possibilité de porter cette revendication au niveau du gouvernement pour que les choses soient claires. Mm-hmm. Hein, mais à partir du moment où il a eu son portefeuille ministériel, quand même, c'est près de 9 ans. En 9 ans, ça sous-entend que les scolaires nigériens ne doivent pas plus attendre quelque chose quand même de la justice nigérienne parce que c'était un ancien secrétaire général de l'Union des scolaires nigériennes qui est ministre de la Justice pendant 9 ans. Et pendant 9 ans, les scolaires revendiquaient justice par rapport aux événements 9 février 90. C'est le silence radio. Mhm. Maintenant, pour ce qui concerne celui qui était le porte-parole de l'USN au niveau de la conférence nationale, le frère Abdourahman Zakaria. Euh, lui également, il est devenu ministre porte-parole du gouvernement donc le porte-parole de l'USN, porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, quand même, il doit porter aussi les voix de ses scolaires auprès du gouvernement pour que le gouvernement lui demande de porter sa voix pour lui dire que le gouvernement a décidé d'ouvrir et de nous faire... De, au moins ça, nous dire exactement qu'est-ce qui s'est effectivement passé en 1990. Et ce qui m'étonne, s'il y a un régime qui a profité de la théorie du 9 février 1990, c'est ce régime. Parce que c'est ce régime, c'est ce qui a permis l'instauration du multipartisme. L'essentiel d'entre eux était à la conférence nationale. Donc, ils, ont de tout à utilisé leur appartenance passée à l'USN comme leader pour essayer de montrer que eux, ils sont différents des autres qui ont gouverné, que eux-mêmes ils appelaient des réactionnaires au moment où ils n'étaient pas au pouvoir. Mhm. Mais aujourd'hui, ils ont eu le pouvoir. Premièrement, ce qui est à l'ordre du jour, ce n'est plus une question d'internat, mhm. mais c'est surtout le minimum que les scolaires cherchent. Mhm. Parce que si à l'époque on combattait le programme l'éducation <laughs> 3, projet d'éducation 3, où on veut instaurer la double, la double, le double flux. Mais aujourd'hui, entre faire double flux et avoir plus de 100 élèves dans une salle, à même le sol, mhm. je crois que la situation actuelle là est pire. Ils doivent revoir tout ça là. Mhm. En dehors de ça, là où on voit les gouvernants, il faut condamner également les structures actuelles de l'Union des scolaires nigériens. Il y a quelque chose que moi, je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui. les universités publiques sont en grève. Ils ont lancé un mode de grève de d'un mois. Peut-être qu'après un mois, ils vont encore continuer. Les, presque toutes les fédérations des syndicats d'enseignants sont en ébullition. Mais ce qui m'a étonné, je n'ai pas senti la présence du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens. Parce qu'en réalité, si les enseignants refusent d'enseigner, les premières victimes, ce n'est pas le gouvernement, mais ce sont les scolaires nigériens. Et je crois que dans le niveau du texte de, de, la prestation de serment, avant de prendre fonction au niveau de l'Union des scolaires nigériens, tu jures sur l'honneur de défendre les intérêts matériels et moraux des scolaires nigériens et de ne jamais faillir, quel qu'en soit celui qui pose l'acte qui va à l'encontre des intérêts des scolaires, vous êtes prêt à les défendre. Mais j'ai comme l'impression que le comité directeur est en train de perdre de vue. Pourtant, ils doivent se dire une chose. Ils ont une chance que les autres structures organisées n'ont pas au Niger. Depuis l'avènement de la démocratie, on a pu créer la division au niveau de l'ensemble des structures pour avoir plusieurs syndicats. Mhm. Dans le temps, c'était un seul syndicat de travailleurs, une seule centrale, les enseignants, un seul, seul syndicat. Ici, aujourd'hui, on a plus de 115 syndicats d'enseignants, une vingtaine de centrales. Mhm. C'est l'USN seulement qui est resté intact. Il n'y a pas deux structures de scolaires et c'est une structure qui réunit tous les scolaires nigériens. Et ils doivent savoir une chose, c'est quelque chose que nous, nous avons l'habitude de dire devant les gouvernants quand ah, les, combats, les débats deviennent très chauds. On leur montre que si on part en réalité de représentativité, on ne peut pas avoir quelqu'un de plus représentatif que les dirigeants, les leaders de l'Union des scolaires nigériens. Parce que aucun ne peut, être, ne peut se regarder d'être élu par autant de militants qu'à l'USN. Mais malheureusement, ils ne se saisissent pas de cette occasion. Certains préfèrent être derrière être des appendices des hommes politiques. Et là, c'est très hmm. dangereux pour eux. Ok, ok, monsieur Salia. Oui, bon, <coughs> merci. Et je vais tout d'abord eh, présenter mes condoléances aux familles des, deux camarades, à savoir Ali Nahanti qui ont perdu leur vie lors de, de la tragédie du 9 février 90 certes, nous, étions euh, très jeunes, mhm. et, mais quand même, du fait de l'immortalisation de, cette journée, ce vendredi noir, et nous avons pu retenir beaucoup de choses. Et le 9 février étant devenu une école mhm. au sein de l'USN, donc même si, c'est après que vous faites un passage à l'USN, vous êtes censé connaître qu'est-ce qui s'est réellement passé et qu'est-ce qui était à la base. Et certes, après ces deux analyses très pertinentes du, du grand frère Dambaji Allah et Bouraï Modouda, ancien responsable de l'USN, il est difficile de dire mieux. Et, mais quand même, J'aimerais eh, peut-être prendre eh, cette question dans un angle et, eh, qui touche plus ou moins l'aspect socio, tout, l'aspect sociopolitique de la vie de la République du Niger qui prévalait en ce moment. Il faut le rappeler, c'était juste après l'effondrement du, bloc Est et les discours de la Bol qui appelait les pays et, africains, notamment francophones, à aller vers euh, euh, la démocratisation, ça veut dire le multipartisme intégral, comme l'a dit, et le pluralisme syndical et autres. En fait, et lorsque les événements du 9 février 90 se sont passés au Niger, ça a beaucoup précipité tout ce qui j'ai dit, parce qu'il faut les rappeler, comme l'a dit les camarades, les revendications des scolaires en ce moment étaient vraiment euh, basées sur, et comme euh, Bourré me l'a dit, la, la, réouverture des internats. La question des fournitures n'étant pas un problème en ce moment, la réouverture des internats et l'arrêt de, la double vacation. Personnellement, moi, j'étais dans une classe où on faisait la double vacation en ce moment. Mhm. Donc euh, c'était le début. Nous étions les premiers élèves euh, de la double vacation au primaire en CM1 ou CE2. Donc les questions étaient vraiment pertinentes. Mais il faut rappeler que les, les forces vives de la nation ou bien les forces politiques qui existaient en ce moment, qui étaient plus ou moins mis et, dans un état de silence total, qui n'avait pas en ce moment les capacités de faire aboutir leurs revendications face aux géants et, et, MNSD qui était en train de se réorganiser. Il faut le rappeler, le mouvement national pour la société de développement, après le décès du fait président qui était en train de se réorganiser en tant que mm, parti, État. C'est en ce temps-là que les événements du 9 février étaient venus où des scolaires ont courageusement bravé les canons pour aller se faire tuer. Et il y a beaucoup. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup d'acteurs qui étaient sur le pont en 1990, beaucoup sont là actuellement présents. Je pense que je pense à ceux qui étaient blessés, comme eh, eh, eh, les grands frères Boubenemewa, les grands frères Dangali mm. et beaucoup d'autres. Et qui, étaient sur le pont, qui sont témoins de ce qui s'est passé. Mm. Et des responsables, comme l'a dit, et comme Moussa Tchangari, qui était le responsable en ce moment de, de, de, Donc, Aujourd'hui, ce que je voulais dire, c'est que les forces qui avaient récupéré le mouvement, parce que c'était une récupération après la, y a eu les tueries, les forces vives avaient récupéré pour instaurer les multipartisme. Mais malheureusement, aujourd'hui, ce mouvement qui a permis à ces forces d'avoir le multipartisme, d'aller vers la conférence nationale, de bouleverser les choses en un temps record, aujourd'hui, ce sont ces mêmes et peut-être ces mêmes personnes qui sont retournées contre la démocratie aujourd'hui, si on tient compte actuellement de ce qui se passe au Niger, mhm. de ce qui se passe au Niger, presque beaucoup d'acquis qui étaient issus de cette lutte aujourd'hui, je parle des libertés fondamentales, je parle du droit de manifester. Récemment, des, structures d'enseignants, des, mouvements, des syndicats d'enseignants ont été empêchés de simples réunions les simples réunions aujourd'hui, 30 ans après les événements du 9 février 90 qui ont amené, qui ont précipité l'avènement de la démocratie, un régime constitué majoritairement d'acteurs qui étaient qui ont profité de ce mouvement, qui étaient acteurs de ce mouvement, aujourd'hui sont devenus des prédateurs de cette démocratie, des prédateurs de ces libertés fondamentales pour lesquelles les camarades d'antan ont perdu leur vie. Ça, c'est une leçon qu'il faut tirer. L'autre aspect qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, le système éducatif dont on demandait l'amélioration aujourd'hui, le système éducatif est complètement à terre. Et à titre illustratif, aujourd'hui, le 9 février 90 est en train d'être comme un moment où les anciens chercheurs sont dans un mouvement de grève d'un mois. Mhm. mois. Le 9 février 90 est en train d'être fêté, comme l'a dit Bourem, où toutes les structures syndicales du secteur de l'enseignement sont en ébullition. Mhm. Vous voyez, voyez-vous aujourd'hui les acquis, on ne parle pas. Donc, moi je pense que il faut que nous tirions les leçons. Aujourd'hui, l'USN, l'UNUN et les autres et, compartiments, les autres sections du mouvement des scolaires nigériens doivent tirer les et se dire que à partir d'aujourd'hui, la lutte doit reprendre ses flambeaux. Parce qu'aujourd'hui, si nous avons des responsables, des anciens cadres de l'USN des scolaires nigériens qui sont, ça veut dire que la question de la justice du 9 février, cette question est de manière et, stratégique a été enterrée mhm. par ceux-là même qui ont manigancé pour amener ces responsables au niveau des, des, des, postes de responsabilité et les mettre dans une situation où ils ne peuvent pas revendiquer avec leur position actuelle, c'est qu'ils ont fait 20 ans en train de revendiquer. Mhm. Ça veut dire que depuis 10 ans, la question de la justice du 9 février 90 a été vraiment de manière stratégique enterrée par des acteurs qui sont là. Mhm. Mais nous estimons que dans tous les cas, l'histoire est là. Si aujourd'hui la justice n'est pas rendue parce qu'il y a une manigance, nous pensons que la justice peut être rendue. Mhm un autre jour. Ok, espérons que la justice sera rendue pour ces, euh, ces scolaires nigériens. Mhm. Et nous allons refermer donc euh, la page euh, du 9 février 90 pour nous consacrer au second point. C'est le réaménagement technique intervenu vendredi sur décision du Premier ministre, chef du gouvernement. Le député Mokhtar Gado Sabo remplace le ministre Kala Motari à la tête du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. Il faut noter également que le nouveau locataire est président du bureau exécutif fédéral du Pendestaria de Maladie, ancien cadre de la SONAIR, et également euh, il occupait le poste de président de la commission hydraulique et assainissement au niveau donc de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, dans Baji, on peut parler qu'il y a peut-être un lien entre les 1700 milliards de la défense et euh, son remplacement. <coughs> madame, parce que c'est ça que les Nigériens aussi. Madame, je, vois euh, euh, <laughs> les Nigériens de leur globalité, ça leur a créé un enthousiasme, peut-être prétendant que la situation va se décanter mhm. et en luttant contre les, 7, les 1700 milliards. Mhm. Mais moi, franchement, honnêtement, personnellement, moi, ça m'a rien dit parce mhm. que je sais que très bien que compte tenu de certains dossiers qui ont été euh, trop flagrants dans ce système où à un moment, euh, le premier magistrat a eu à prendre des décisions qui, par après, on n'a pas eu la suite. Je me suis dit que dans tous les cas, il y a Anguish Roche. Par rapport à ça, euh, d'ailleurs, il faut le dire, c'est pas sur décision du Premier ministre, c'est la décision du Président de la République, ah, et, sous proposition, du Premier ministre. Donc, par rapport à ça, je pense bien que ça, c'est un jeu. Moi, pour moi, je dis c'est un jeu parce qu'à tel enseigne que si on parle, on veut parler, on veut régler le problème des 1700 milliards, c'est un dossier qui est là. C'est un dossier qui est là et aujourd'hui, même pas les inspecteurs, mm. même le commun de Mortel, en tout cas, il peut identifier au moins quatre personnes donc par rapport au mêmes aux, différentes inspections qui ont été élucidées par certains paragraphes de ces inspections par certains journaux. Je pense bien que c'est loin d'être cela. C'est loin d'être cela et il faut que les gens aussi, les Nigériens attendent. Attendent parce que, euh, vous savez, avant 1700 milliards, il y avait eu le problème du, marché. Gré à gré. De gré à gré. Mhm. Quand ça a été réglé, les gens croyaient que c'est réglé. Par, après, par ricochet, comment les mêmes acteurs étaient revenus de plus belle. Ça, c'est toujours le même système. Et quand vous vous rappelez aussi de l'affaire dite euh, ministère, des Finances, mhm. avec euh, euh, l'ancien ministre euh, quand il a été évincé de manière flagrante, et que tout le monde a condamné l'acte de la manière dont il a été remercié. Mhm. Et je pense bien qu'aujourd'hui, vous avez vu les revenus de plus belle. Et, on parle. Non, c'est ça. L'affaire de c'est ça. L'affaire des marchés agrégés avec le, ministre actuel des Affaires étrangères. Donc, ça, partant de ces principes, et vous vous rappelez très bien qu'il y avait eu l'opération de Boulala où à un moment, il y avait eu 300 et quelques dossiers. Donc, jusqu'à, je pense bien qu'un beau jour, euh, le procureur était sorti. Il a effectivement confirmé la transmission de ce dossier et tout le monde était content, euh, euh, croyant que peut-être cette situation va atteindre son épilogue dans le traitement pour mettre l'État nigérien dans ses droits. Mais fort malheureusement, nous sommes toujours à notre soif. Mhm. Ça n'a pas évolué. Donc, partant de tout ça là, je pense bien que, moi, pour moi, dans tous les cas, il y a d'autres d'autres préoccupations de ce gouvernement ah. euh, qui a, poussé à évincer le ministre Kalla, parce que certaines sources font état d'une autre situation de, de, l'octroi de marché à son ministère, gré à gré. Mmh, si ça peut être que c'est ça, et ça peut être aussi, c'est une manière aussi de, ah. pouvoir, parce qu'on est à la l'approche des élections, peut-être on veut lui confier une mission mmh. au nom de ses partis de son parti pour qu'il puisse aller faire le travail qu'il faut à la date qu'il faut et à un moment précis. Ah, ah. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, c'est lui donc qui, c'est qui l'a remplacé. Il est, le président de la section de, de, Maradi. Et vous savez que Kalla, il est, de, la section de Maradi. Ah, donc si c'est tout ça là, en faisant la jonction de toutes ces analyses, si vous vous comprenez, effectivement, moi, ça ne m'a pas créé l'enthousiasme que le Niger s'est mis dans ses droits par rapport à 1700 000. Mais nous reconnaissons quand même euh, l'acte du bravoure et du patriotisme du ministre de la Défense actuel, de pouvoir demander rien que euh, l'inspection qui nous a permis de constater aujourd'hui, qui nous a permis de dire à haute et intelligible voix qu'il y a eu le problème de 1700 milliards. Mais euh, pour le moment, moi, je ne crois pas que euh, le en réalité de ce ministre concourt toujours dans le même système, parce que si c'est dans le, dans le même cadre, il y a d'autres. Parce qu'avant sa gestion, il y a une autre gestion, toujours de, au ministère de la Défense, qui a été flagrante et que tous les Nigériens a décrié. Et ces acteurs sont toujours en contact à leur lieu et que ces acteurs ne sont pas inquiétés. Et je ne pense pas, je ne pense pas, je pense bien qu'il faut qu'on garde nos têtes sur euh, <laughs> nos épaules et, il faut qu'on attende jusqu'à preuve de contraire. Moi, quand je ne vois pas, en réalité, la justice se saisir de cette affaire parce que réellement, le vrai acteur qui peut nous convaincre, c'est quand la justice saisira, euh, a été saisie de cette affaire et que la justice commence à poser des actes euh, clairs par rapport à ça. Et ces gens-là ont été interpellés et ils étaient devant le, procureur pour s'expliquer. Et par conséquent, une, information judiciaire a été ouverte, et euh, pris individuellement. En tout cas, moi, je ne crois pas à un éventuel traitement euh, judiciaire de cette affaire, mais tout simplement, moi, j'ai lié ça euh, à la préparation du processus électoral pour pouvoir euh, bien repositionner encore leur parti, pour pouvoir conquérir le pouvoir. En tout cas, moi, c'est mon humble envie par rapport à ça. Je ne pense pas qu'il faut que les Nigériens se désillusionnent par rapport à ça. Ok, monsieur vous êtes d'avis avec ça euh, Oui, c'est. Moi, le, leur réaménagement technique, technique, là, d'abord pour moi, c'est d'abord un non-événement. Pourquoi vous dites que c'est un non-événement Non-événement parce que, d'abord, euh, la première des choses que les Nigériens cherchent par rapport à, la question de ce gouvernement, c'est d'abord euh, adapter la taille du gouvernement avec euh, les conditions de vie des Nigériens. Parce que c'est au même moment où les gouvernants, pour leurs intérêts, crient qu'il n'y a pas assez de moyens pour faire face à certains problèmes vitaux de la nation, la taille du gouvernement ne fait qu'augmenter. Parce que presque chaque mois, on nomme des conseillers avec rang de ministre. Donc, pour ça, d'abord, pour moi, c'est un événement mm. Maintenant, pour revenir au lien, parce que pourquoi, par exemple, les citoyens peuvent chercher à faire un lien Parce que ça a coïncidé avec euh, un moment où il y a l'effervescence, où les citoyens sont en train de chercher à savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé avec euh, les budgets alloués au ministère euh, de la, Défense, qui va à hauteur de 1700 milliards. milliards. Il s'est fait qu'il était d'abord ministre de la Défense avant d'être ministre, de, de l'hydraulique. Mm. Dans tous les cas, si c'est pour la question des 1700 milliards, je crois que ça c'est encore tôt parce que c'est quand on voit la période, je crois qu'il y a avant celui qui a eu le courage de poser le problème, il a eu déjà trois ministres de la Défense qui se sont succédés. Mmh. Il y a dans leur fonction, avant d'être ministre, deux enseignants, deux anciens enseignants, il y a un ancien professeur d'anglais, lui, Kalla, qui est un enseignant de philosophie et un géologue. Donc, non, c'est pour donner les fonctions. Attention. <laughs> Parce qu'il faudrait que les gens puissent savoir. Dans tous les cas, c'est pourquoi les Nigériens peuvent comprendre. On connaît les fonctions des gens. On a une idée de leurs revenus. Et on sait que même si tu as fait 10 ans dans le gouvernement, avec le salaire des ministres, on calcule, on considère que tu, n'as rien mm. acheté. Mm. On t'a donné, on t'a donné même le jour de ta nomination, le salaire de 10 ans. Mm. Ça ne peut pas te permettre d'avoir, d'acquérir certains patrimoines. patrimoine. Ça veut dire que là, ça devient flagrant. On n'a pas besoin d'être un enquêteur pour savoir que tu es un brigand. Donc ça, les Nigériens, c'est la vérité. Ça, les Nigériens connaissent, parce que nous nous connaissons. Donc ça, on sait que tôt ou tard, il aura la vérité par rapport à ces choses. Maintenant, pire encore, moi, j'essaie de lier ça d'abord pour son cas spécifique. C'est toujours l'actualité parce que j'ai vu qu'on l'a viré le lendemain d'une visite qu'il a eu à faire au niveau de la région de Tilaberi, où il est parti constater l'état d'évolution des quelques chantiers liés à l'hydraulique qui devait finir avant même Chandalo. Mm, mhm. ce n'est pas fini et ça, je crois que quand j'ai regardé quand même, ça n'a même pas atteint un taux d'exécution de 30%. Mm-hmm. Quelque chose qui devait finir avant décembre. Avant décembre. Je l'ai vu vociférer pour dire que d'ailleurs, il, il met, la responsabilité cette fois-ci à la direction régionale de Tilabéry. Mm-hmm. Maintenant, bon, il a fait ses bruits et dès que j'ai vu, parce que parfois il faut voir, tu sais, pour comprendre s'il y a manipulation quelque part, il faut bien suivre les reportages de Télé Sahel. <laughs> Dès que Télé Sahel a montré l'ensemble des failles, il a dit que ce monsieur-là, apparemment, son compte est bon. Mm-hmm. Parce que c'est exactement le même mode et opérateur qu'ils ont fait lorsqu'ils voulaient, à l'époque, il faut réfléchir, mm-hmm. liquider l'ancien préfet maire de, de, de, Niamey, là, Hassan Seydou. Quand ils voulaient débarquer Hassan Seydou, ah c'est la veille, Télé Sahel est parti voir qu'il est en train de, la nuit, en train de dégager des dépotoirs parce que le président veut faire visite. Mm-hmm. Donc, c'est la même chose. Donc, on a, je crois qu'il doit mm-hmm. avoir un lien avec tout cela. L'un de l'autre. Des oui, des reportages. Non, Thérèse, ça, on comprend. Donc, l'un de l'autre, <laughs> même si, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils l'ont fait, mm-hmm. nous, et je suis sûr qu'il y a, c'est ça la conviction de beaucoup de Nigériens, nous ne pouvons pas quand même accepter que des individus s'accaparent indûment des biens de cette nation et que ça reste impuni. Donc, ça veut dire que, quel que soit ce le font, nous allons toujours continuer à mettre la pression et à revendiquer à ce que l'État soit mis dans ses droits. Mm-hmm. Parce que nous ne pouvons pas accepter qu'on continue à gérer le pays comme si on n'a que dans nos formations, on n'a que des corrompus. On n'a que des, des, des, des voleurs de, de, deniers publics. Il faudrait que les gens se réveillent sur terre, qu'ils comprennent que quand on vous donne une responsabilité, on vous a confié ça au nom de la nation. Et c'est là où on a lancé l'appel au président de la République. On a l'habitude de le dire, je crois que la dernière fois, que ça lui reste à peu près un an pour finir son dernier mandat. Il est dans une situation où il n'a absolument rien à perdre. S'il veut sortir par la grande porte, je crois qu'il a le devoir de faire un choix judiciaire entre le Niger et ses amis. Mhm. Si ses amis ont volé, il n'a qu'à les livrer à la justice. Sinon, c'est quelqu'un d'autre qui viendra pour, pour les arrêter. Et là, risque, le problème risque de l'atteindre. Mhm. Voilà pourquoi il a le devoir de le faire. Parce que même la dernière fois, on l'a dit, tous les problèmes, tous les travers de la gestion, ce sont ses amis. Mhm. Ce sont ses amis qui le font. Et je ne vois pas pourquoi il ne peut pas envoyer, il, au nom de l'intérêt supérieur de la nation, envoyer ces gens-là entre les mains de la justice. Il doit accepter le principe de la séparation des pouvoirs et laisser la justice faire ses preuves. Parce que pourquoi je le dis Parfois, la Halcia même, vous comprenez, la Halcia même donne des rapports. La donne des rapports. C'est manière fragrante. qu'il y a eu des tas de corruption avérée. Mais on couvre les gens. Et ce qui m'a le plus scandalisé, c'est avant-hier quand j'ai vu le président de l'Assemblée nationale avec, des, avec son bureau de l'Assemblée nationale aller au niveau de Harun Printing pour dire Ah, ils sont venus chercher leur permis biométrique. Parce que, pour montrer que c'est une réalité. Mm. Alors que l'ALSE a déjà dit qu'il a eu des passes droits là-dedans. Et ce qui m'a énervé, ils peuvent aller le faire de leur argent. Mais écoutez, ça n'atteint même pas 15 000. Hein. Même ça, ils ne peuvent pas prendre ça de leur salaire aller faire. Ils créent une mission pour aller à reprinting. Et c'est la frère de le font. Mm. Et même ça, c'est grave. Et donc, eux, ils ne peuvent pas prendre leur salaire, eux qui sont riches, pour aller le faire. Ils font mission, parce que c'est une mission. De l'Assemblée à la bas c'est une mission du bureau de l'Assemblée. Mm. Ça veut dire qu'ils vont émerger dans le budget de l'Assemblée. Et c'est dans ça qu'ils ont pris pour aller faire. Mm. Et nous autres, là, qui on n'a même pas ça. On n'a pas autant de sous que nous. Ils veulent nous obliger à aller le faire, alors qu'on sait qu'il y a de l'escroquer de l'affaire. Mm. Je crois que ces parlementaires également doivent revenir sur terre et comprendre que c'est le peuple qui les a élus. Alors, ils doivent jouer le, jeu du peuple, donc euh, dans l'intérêt, dans le sens de l'intérêt du peuple, mais pas de l'intérêt de quelques individus qui ont fait de l'escroquerie et de la, de la corruption et du détriment de public que leur sport favori. Ok. Monsieur Salia, ah, est-ce que aujourd'hui vous, vous avez euh, quelque chose à dire par rapport à ce que les deux viennent de dire à l'instant, par rapport au euh, réaménagement technique Cette affaire du, du réaménagement technique du gouvernement euh, où le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, mhm. et Gala Moutari, a été remplacé par euh, Mokhtar Gadosabo. Et, il faut le dire, la question c'est euh, le bruit que cela a suscité au sein de l'opinion nationale. Mhm. Et moi, à mon avis, ça montre deux choses. La première chose, c'est que et, tout ce qui est rumeur, tout ce qui est révélation et, autour de la gestion et du ministère de la Défense, mhm. où il y a eu des supposés détournements de, de plus de, de, de, 1500 milliards, 1700, 1700 milliards, et cela donne raison à, à, à, à ce qui est, le bruit qui est en train d'être fait autour de cette question. La première chose. La deuxième chose aussi, ce bruit et montre combien de fois les Nigériens actuels a soif de justice, a soif de transparence, a soif de voir plus clair dans la gestion de la chose publique. C'est ce défait qui, que cette situation révèle. Mais quand on vient dans la réalité, en fait, les, camarades l'ont dit, c'est difficile aujourd'hui pour tout fin analyste de dire que et cette situation, le fait que Kalla Moutari est évincé est le point de départ de, de, voir de la clarté ou bien d'une enquête ou bien et, de, mettre le peuple nigérien dans ce droit par rapport au, vol qui aurait été eh, eh, commis au niveau du ministère de la Défense. Parce que eh, d'abord, ce ministre n'est pas et, le seul qui a géré et au sein de ce ministère, si on prend la marge du temps, ils sont au moins trois à avoir fait des passages au niveau de ce ministère, Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, et même si aujourd'hui, on peut supposer que le président de la République va décider de, de, clarifier cette affaire, de faire sortir la vérité, moi je pense que le moment est trop tôt pour dire que déjà il est en train de faire partir un ministre à cause de ça. Pourquoi Vous savez, et les principes, si on va sur, on est dans une véritable démocratie, quand je suis ministre ou responsable à quelque niveau que ce soit, si mon nom est cité dans une affaire, normalement c'est à moi de rendre l'établi et de me mettre automatiquement à la disposition de la. C'est ce voilà comment ça s'est fait. Mais, mais, mais, moi je pense que et, nous attendons, nous attendons en tant que Nigériens que ceux qui ont été, ceux qui ont été et, dont les noms étaient mentionnés par l'opinion mhm. dans cette affaire, ceux qui ont dirigé ce ministère et dans, lequel il aurait eu ces, milliards qui, qui, ont été carottés, mhm. ces sciences-là doivent normalement démissionner d'eux-mêmes et se mettre à... C'est quand eux-mêmes d'eux-mêmes, ils refusent mhm. de démissionner. Ils refusent de se mettre à la... En ce moment que le président de la République, en tant que magistrat suprême, en tant que garant de la défense de l'intérêt national des, biens du Niger, va peut-être prendre son arme, va prendre ses responsabilités. Mais je pense que si ce moment est arrivé, moi, je pense que c'est trop tôt aujourd'hui de penser que déjà le président a commencé à sévir. Et s'il va le faire, c'est pas, moi je pense que c'est pas avec Kalla Moutari que ça devrait commencer, comme l'a dit le grand frère Il y a d'autres qui ont euh, précédé et, Kalla Moutari à ce poste. Ils doivent peut-être aller ensemble s'ils ont des oh, responsabilités. Mais vous voyez, cette affaire-là, c'est grave. Et je pense que, il paraît qu'actuellement, même le ministre de la Défense actuel n'est est, en train et, doit être en déplacement pour aller voir clair ce qui s'est passé. Moi, je pense que il faut que les Nigériens, c'est vrai, ils ont soif de justice, mais que les Nigériens, dans tous les cas, l'histoire est là. Moi, je pense qu'une affaire laquelle on dit et, des, des, des avions auraient été surfacturés plus du double de ce qui a été dit. Des véhicules 4x4 auraient été facturés aussi plus du double des cartouches qui coûtent moins de 100 francs. auraient été facturées à 1000 francs. Moi, je pense que c'est très, très grave, c'est extrêmement grave. Et on doit penser que beaucoup de fils de ce pays ont perdu leur vie parce que on suppose que ils n'ont pas eu ce qu'ils devraient avoir pour se défendre et ils ont succombé parce que quelqu'un est parti, il a pris des milliards il a, pour s'entretenir, entretenir sa clientèle politique ou à, entretenir d'autres choses. Moi, je pense que et, ce scandale-là est trop, trop gros pour que ça passe comme ça. Si les gens pensent que ça va passer comme ça, c'est difficile mm. que ça passe comme ça. Et, et, nous sommes là. Moi, je pense que la justice appartient au peuple. Mm. La justice est rendue au nom du peuple. Et si aujourd'hui, tel ou tel tête refuse que la justice soit dite, moi, je pense que il y aura un temps où la justice va être dite et ce qui va être plus... même et souple pour ceux qui, ceux qui, ceux qui sont mis en cause, c'est eux-mêmes de se livrer mhm. et de partir. Si je pense que je ne suis pas, je n'ai pas fait ces cours, on m'accuse, ou bien je pense que je suis propre, mais facilement, je me rends euh, pour la justice et je demande qu'on me lave oui, mais si moi-même je ne peux pas dire, ça veut dire que ça, peut confirmer d'autres <laughs> choses. Oh, ok, je reviens un peu vers Dambaji. Dambaji, tout à l'heure, vous parlez de politique, vous parlez que ça peut, être, ça peut avoir aussi un lien avec la politique. Aujourd'hui, est-ce que, qu'est-ce que ça ferait si euh, le même euh, ministre euh, Kala revient donc un autre ministère, par exemple. Mais c'est ce que j'ai entendu vous dire. Il faut que les Nigériens se Et c'est surtout ce que je voudrais attirer l'attention du petit frère. Et il ne faut pas oublier. Et dans ce pays, et c'est dans ce système qu'un député a été, et en réalité, demandé à ce qu'il soit écouté par les juridictions. Mhm. On a transmis son dossier à l'Assemblée pour lever l'immunité. Mais ça les députés ont refusé. <laughs> Là où on considère que l'Assemblée est constituée temple de, la démocratie. Mhm. Regardez, hein, mhm. là où les juridictions, la justice qui est indépendante dans un système démocratique demande d'écouter un député, mhm. et c'est l'Assemblée qui refuse le système, vous pensez que les gens et les autres seront prêts à démissionner <laughs> pour, aller, pour, répondre au ah des principes démocratiques ah Vous allez attendre sur votre soif, petit frère. Et je pense bien que dans ça, là, que Dieu garde le Niger et que Dieu sauvegarde le Niger. Ah et je vous dis que aujourd'hui, ne soyez pas surpris. Ah, oui que, eh, que le ministre Kalla ait une mission et un poste ah plus en réalité oui, jeté dans leur jargon que le ministère là. Sincèrement, hein. il ne faut pas que les gens soient victimes d'une crise cardiaque inutilement. <laughs> inutilement, hein. inutilement, il ne faut pas que les gens soient victimes d'une crise cardiaque il ne faut pas Que ça les surprenne. Oui, il ne faut pas que ça surprenne les gens. Donc dans ça là, je pense bien qu'aujourd'hui... Eh, euh, c'est le jeu politique. C'est le jeu politique, mais malheureusement, malheureusement, c'est pas le franc jeu politique. Mm. La politique, là, en tant que telle, je vous dis que ça a des vertus. Mais les gens ont dénaturé. Là, c'est que c'est la politique. La politique, c'est un art noble qui consiste en réalité à poser les jalons à travers les dispositions légales pour pouvoir créer les conditions de pouvoir garantir l'intérêt général. C'est ça la politique. Mais quand on confond la politique à l'hypocrisie, on confond la politique à la malhonnêteté, on confond la, la politique à l'abus de confiance, je vous dis qu'on a dénaturé ce que c'est la politique malheureusement. Mais malheureusement, aujourd'hui, cette classe politique nigérienne, qu'elle soit de l'opposition et de la majorité, je vous garantis qu'aujourd'hui, elle a dénaturé dans le subconscient du peuple nigérien ce que c'est la politique. Parce que quand on vous dit non, laissez-le, c'est la Tu peux même tuer quelqu'un, on dit c'est la politique, et tout le, tout le monde accepte que c'est la politique. Non, non, la politique interdit tout acte qui est contraire au principe réglé par les dispositions légales de la, de la démocratie. Quand on dit politique, par exemple, vous pouvez poser, créer les, les conditions de la politique pour neutraliser un certain nombre de choses même en dehors des principes, mais qui va garantir l'intérêt général. Mm. Mais en dehors de l'intérêt général, vous ne faites pas la politique, vous faites autre chose. Mm. Donc ce n'est pas de la politique, créer les conditions de la subversion, de tromperie, des mensonges et de pouvoir trahir l'intérêt général en défaveur de l'intérêt d'un individu ou d'un groupe d'individus. Ça, c'est ce qu'on appelle la malhonnêteté intellectuelle et la malhonnêteté politique. d'accord. Monsieur, monsieur euh, Kala Moutari, euh, au niveau donc euh, du ministère de la Défense, ministère de l'Hydraulique. Il peut être demain, par exemple, au ministère de l'Intérieur, pourquoi pas Non, il ne sera pas au ministère de l'Intérieur. Vous savez, ce régime est spécialisé dans quelque chose. Mm-hmm. Le premier poste qu'on peut lui donner, on va l'amener conseiller avec rang de ministre, mm-hmm. voire même peut-être ministre d'État à la présidence. Ok. Et vous savez qu'on est à un an des élections. Donc, euh, il se retire du gouvernement. Maintenant, s'il est au niveau de la présidence, où il peut avoir, donc il a rang de ministre, il peut avoir ses privilèges de ministre à la présidence, ça peut lui permettre d'aller tranquillement, sous couvert de tout ça là, battre campagne au niveau de sa région. Parce que je vois même que ce n'est même pas un hasard si on a remplacé quelqu'un de la même section. Ils sont tous de la même section. Donc, euh, section de Maradi. Peut-être que c'est lui qui peut avoir les mains libres pour aller le faire. Parce que en restant ministre, il ne peut pas le faire parce qu'il ne peut pas utiliser les trucs de l'État. Mais pourtant, d'autres sont en train de le faire. Non, ils sont en train de le faire, mais sous couvert. <laughs> Par exemple, le ministre de l'Intérieur a l'habitude de démissionner par dire qu'il ne va plus le faire. Parce que la dernière fois, il a commis l'erreur de quitter avec euh, l'ensemble des forces qui sont liées au ministère de l'Intérieur. Mm. Mais quand il a eu le tollé de la société civile et même des partis politiques, il a compris quand même que ça, ça risque de semer une confusion. Parce qu'on ne sait pas quand il part est-ce que c'est le candidat ou bien c'est le ministre, Parce que s'il part avec euh, les trucs officiels, ça veut dire que obligatoirement, les autorités administratives et coutumières sont obligées de l'accueillir en tant que ministre, de la République. Maintenant, il faudrait faire des yeux. Dans tous les cas, le problème ne se pose pas. Ça, c'est réménagement technique. Il y aura réménagement parce que euh, dans peu de temps, il y a le processus électoral qui va commencer. Il y a beaucoup de ces ministres-là oh, qui qui peut-être vont être euh, que des candidats au niveau législatif, mm-hmm. au niveau des régional, de, de, mm-hmm. même, à, même président de la République, parce que déjà, je vois, bon, je vois déjà deux ministres qui sont déjà des candidats déclarés. Mm-hmm. Il y a le ministre euh, Bazoum, et il y a le, ministre de l'Agriculture, Albade Donc il y a déjà deux ministres qui sont dans le gouvernement qui, on sait, qui sont même des candidats au niveau des élections présidentielles. Mhm. Peut-être qu'il y a encore d'autres ministres même qui sont candidats aux élections présidentielles. Donc dans tous les cas, il y aura encore des réaménagements. Mais ce n'est pas ça le problème. Nous, que le réaménagement ne rentre pas quand même de la compromission du devenir de ce pays. Franchement, nous, c'est ce qui nous inquiète. Quand nous le disons, nous, nous n'avons pas besoin de nous d'être derrière des partis politiques. On a l'habitude de le dire. Nous, les seules personnes que nous pouvons respecter et les seules personnes qui peuvent nous obliger à faire quelque chose sur le pays, c'est le peuple nigérien. Parce qu'on l'a dit la dernière fois, c'est le peuple nigérien qui a financé nos, nos formations. Alors on ne peut qu'obéir au peuple nigérien, mais pas à des individus qui veulent remettre en cause le développement de ce pays. Mhm. Ok, très rapidement, Salia. Vous avez quelque chose à ajouter Non, moi, sinon on va passer. <laughs> moi je pense que il faut pas qu'on eh, qu'on s'apaisantit trop. Qu'on perde le temps sur ça. tellement de jeux dans cette gouvernance de 2011 à aujourd'hui que Aujourd'hui, le Nigérien est en train de devenir vigilant. Le Nigérien ne tombe pas facilement dans les pièges. On observe, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il eh, y a eu des anomalies graves dans la gestion du ministère de, de, de, la Défense, dans la gestion de la sécurité, dans la gestion de ce qui était censé, tous ces milliards qui étaient censés rentrer dans cette fameuse mmh. rubrique sécurité rubrique défense qui a fait que beaucoup de, de, de, de le travailleurs, beaucoup de couches sociaux et, professionnelles ont fait, ont se sont sur leurs propres acquis, sur leurs dits, parce qu'il y a des milliards qui devraient arrêter dans la gestion de la défense. Mais malheureusement, vers la fin, on se trouve que ces milliards-là auraient pris une autre destination et le président de la République, qui est le magistrat suprême, chef suprême des armées, et qui a le dernier mot sur la question de voir clair dans ce qui s'est passé, qui a fêté récemment son avant-dernier fête de la République en tant que président de la République, nous attendons en tant que Nigériens que cette situation soit claire. Qu'il réagit par rapport à ça. Ok, Monsieur Dambaji, dans ce cas, on y va au début donc de l'enrôlement biométrique de la zone 1, donc la zone 1 qui concerne euh, les régions d'Agadez, d'Ifa, Zender et Niamey. C'est ça. Donc euh, à Niamey, il y a eu le lancement hier au niveau donc du gouvernorat en présence euh, du ministre de l'Intérieur, euh, Bazou Mohamed, le président de l'Assemblée nationale, le premier ministre Brigitte Raffini. Et il y, a, il eu également le président de CENI. Mais nous, nous, avons remarqué l'absence, en tout cas, de la classe politique de l'opposition. Et voilà Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport justement à cette présence euh, oui, vous savez, le bureau 0, euh, numéro 00, moi j'ai l'habitude de travailler là-bas. C'est un bureau qui est réservé uniquement pour euh, les officiels. Mm. C'est ça, et ça, ça n'a pas d'inconvénient. Mais la seule chose, c'est que par rapport à l'ornement biométrique, en tout cas, nous lançons un appel à tous les citoyens. C'est le chemin obligatoire, je dis obligatoire, pour ces politiciens de passer et c'est le chemin par lequel le, peuple peut régler ses comptes à ces politiciens. Il ah, peut sanctionner. Oui. Parce que toute, attitude qu'il va se, donner, tant que ce n'est pas à travers les urnes, il ne peut pas les sanctionner. Et je pense bien qu'aujourd'hui, c'est une occasion que ce peuple puisse sortir pour pouvoir s'arrouler il faut que tout celui qui a l'âge de voter aille s'enrôler. Et en ce temps-là, quand les uns et les autres s'enrôlent, et qu'ils puissent suivre ça de très près jusqu'à la sortie de la liste avec leur nom. Et en ce temps-là, je pense bien que les élections seront là. Et quand ils vont aller voter, ils votent à Kassa, à Sali, à Reka. C'est comme ça. Pour qu'une voix, c'est-à-dire que leur voix soit authentiquement officialisé. Et c'est à travers ces urnes qu'ils vont, vont sélectionner tout celui qui a posé des actes contraires à l'aspiration de ce peuple. Et c'est l'occasion. Il ne faut pas qu'ils se laissent en réalité entraîner par ces turifères qui croient que c'est seulement les acteurs politiques qui doivent créer les conditions mhm. à les distribuer, quoi que ce soit. Mhm. Ils saisissent l'occasion. Mhm. Qu'ils saisissent l'occasion. L'argent là qu'ils veulent leur distribuer pour aller s'enrôler, c'est l'argent du peuple. C'est leur propre argent. Qu'ils saisissent l'occasion, qu'ils ne refusent pas. Qu'ils aillent prendre l'argent là, c'est pour eux. Ils aillent s'enrôler Qu'ils s'enrôlent maintenant, l'essentiel c'est au niveau de l'urne. Euh, au niveau de l'urne, il faut réfléchir dix mille fois que c'est ton honneur et sa dignité, ta dignité, que tu vas jouer, tu vas miser à la matière. Et là, il faut réfléchir qui sera à la hauteur et qui peut être à, la hauteur de pouvoir créer ces conditions. Parce que quand vous partez au niveau des urnes, ah, un tel, c'est mon parent. Ah, un tel, on est de la même région. Ah, un tel, c'est mon ethnie. Ah, un tel, vraiment, il a l'habitude. Mhm. C'est-à-dire, c'est une erreur monumentale. Je regarde, vous regardez le visage. Vous regardez de par ce comportement. Un tel, il a les aspirations patriotiques. C'est quelqu'un qui est jaloux de l'intérêt national. C'est quelqu'un qui est jaloux pour le pays, c'est quelqu'un qui est jaloux de, de, de, tout ce qui revient de l'intérêt général, eh bien, je vais le voter, je le mets dans le. C'est ça le vrai patriote. Que de dire, quel que soit, même si vous partagez la même famille avec le politicien, pas même qu'il soit un leader, il faut constater s'il ne répondait pas aux critères. En tout cas, même si l'autre c'est mon adversaire et je reconnais à lui ses caractères du patriotisme et de l'intérêt national, le jour-là, je vais le voter et je vais te laisser parce que tu as fait tes preuves, ou bien dans tes comportements, j'ai constaté que par rapport à l'intérêt national, c'est ton dernier souci. Le premier souci, c'est tes intérêts personnels et l'intérêt de ceux qui sont avec toi. Je ne vais pas te voter. C'est en tout cas l'arme la plus efficace pour le peuple pour pouvoir régler des comptes à ces politiciens vertueux qui veulent à tout prix s'enrichir et enrichir leurs enfants et leurs parents au détriment de l'intérêt national, oubliant la répartition et, de la règle de l'art des revenus nationaux. Et je pense bien par rapport à ça, c'est l'acte. Le peuple nigérien doit sortir s'enrôler. Il doit aller s'enrôler et suivre de trop près jusqu'à la sortie de sa carte et vous détenez vos cartes. Refusez de donner ce qu'on appelle le récipicé là. Refusez de donner. Parce qu'entre eux, elles sont en train de se dénoncer. Elles disaient qu'il y a certains partis politiques qui achetaient les récipicés là. Parce qu'il te faut présenter le récipicé mhm. pour retirer ta carte. Mhm. Donc si tu vends ton récipicé à 2000 francs, c'est comme si tu as vendu ton honneur. Parce que ton droit de vote. Et tu, imagine, tu, tu vends ton droit de vote pour placer quelqu'un que tu n'as pas voté, qui va te diriger durant 5 ans je pense bien que c'est le comble du malheur pour toi et pour même ta progéniture, parce que tu as livré l'honneur du pays d'un des mains incertaines. Donc je pense bien que le peuple doit sortir pour aller s'enrôler. Et s'enrôler et suivre de trop près jusqu'à la sortie de sa carte. Il empoche sa carte, il attend le jour du, vote, il vote au nom de toute sincérité et au nom de l'intérêt national, il vote qui doit être et qui peut être à la hauteur de pouvoir faire ça. Et il vote ça au nom de l'intérêt national. Il se retire. Ok. Monsieur euh, Daouda. Euh, l'enrôlement se poursuit depuis hier, en tout cas dans la zone 1. Et nous avons également, par euh, le Conseil des ministres du vendredi, la prorogation des maires. <laughs> Alors, il y a aussi des inquiétudes quant au chronogramme de la CENI. Hmm. Dans tous les cas, pour euh, ce qui concerne d'abord l'enrôlement, biométrique, je crois que c'est une phase importante quand même pour tout, processus démocratique. Mhm je vais retirer les mêmes appels. C'est vrai, si c'est pour aller voter au niveau de cette classe politique-là qu'on a actuellement, les, les, citoyens, il y a beaucoup de citoyens qui peuvent se décourager parce que ils auront un choix difficile à faire. Parce que, je le dis clairement, madame, choisir au niveau de cette classe politique, c'est faire un choix entre Ebola et coronavirus. Mm-hmm. Oui. Donc, ça peut décourager beaucoup. Mais quand même, comment c'est la détention de la carte de lecteur mm-hmm. qui peut leur permettre de sanctionner, de choisir et de, de guider le devenir du pays pendant cinq ans. Parce qu'en réalité, c'est vrai, vous l'avez rappelé, hier on a lancé au niveau du gouvernorat pour les officiels. On a vu les premiers responsables aller se faire enrôler. Mais la population doit comprendre une chose. De la même manière qu'on les a enrôlés une seule fois là, c'est la même chose qu'on va enrôler tout le monde. Nous sommes égaux. Nous aurons tous une carte, une carte, une voix, une, voix. Ça veut dire que chacun, sa puissance, c'est sa carte. Réfléchir, qu'est-ce que tu veux pour ton pays Alors, en fonction de ça, il faut choisir le moindre mal ou le meilleur. Parce que quand j'ai fait la comparaison au niveau de cette classe politique, de ce qu'on a actuellement entre Ebola et coronavirus là, c'est à dire que la population a la possibilité, pourquoi pas même à travers leur force qui est leur carte d'électeur, mhm. trouver même peut-être l'oiseau rare, même si c'est un candidat indépendant. Mhm. C'est là où donc il revient à nous autres acteurs de la société civile et à vous les, médias. Le, mhm. à partir de cet instant, c'est de multiplier quand même la sensibilisation pour que d'abord les population se fasse arroler. Mhm. Parce que le vote, ce n'est pas seulement une question de parti politique, mhm. c'est une question de citoyenneté. Mhm. Donc, la sensibilisation doit être de mise. Après l'enrôlement biométrique, la sensibilisation doit continuer. Et ça serait pour nous l'occasion de dire clairement à la population, parmi cette classe politique, qui est Ebola, coronavirus. <laughs> et voilà coronavirus. moi, <laughs> je pense que il faut que les citoyens comprennent. Vous savez, c'est pourquoi et, dans une société, l'éducation est très importante. Mm. et nous avons au Niger une population et majoritairement analphabète Et cela joue beaucoup sur la marche même de notre démocratie parce que les élections, au-delà du rôle que les élections confèrent aux citoyens de choisir leurs dirigeants, les élections donnent aussi aux citoyens une grande arme, une arme redoutable qu'il s'agit de pouvoir sanctionner. C'est à travers les élections que eh, les, les, les, citoyens arrivent à sanctionner ceux qui ont géré, à qui on a fait confiance, mais qui, vers la fin des choses, à la fin des choses, les citoyens comprennent qu'ils ont mal géré. Vous savez, eh, il y a un moment où le président de la République actuelle quand il était à l'opposition, disait que le Niger est un pays riche, mais mal géré. Et les Nigériens ont fini par comprendre que le problème du Niger, c'est effectivement un problème de gestion. Les Nigériens ont cru et aujourd'hui, c'est aux Nigériens de chercher celui-là qui va bien gérer le Niger. Et cela, ça ne peut qu'être à travers les élections. Ça ne peut qu'être à travers les élections. Je ne vois pas par quelle osmose je vais accepter, et après dix ans, d'aller encore confier mon destin à, quelqu'un qui, qui, qui, qui, m'a martyrisé pendant dix ans. Je l'ai dit clairement. Mhm. Je ne vois pas par quelle osmose et, je vais aller voter pour quelqu'un qui m'a mis en, insécurité pendant 10 ans. Mm. Donc vous voyez, je ne vois pas comment, par quelle osmose, je vais aller euh, renouveler ma confiance à quelqu'un qui, pendant 10 ans de gestion, n'a rien fait à part construire, acheter, construire, acheter pour enrichir des têtes. Donc voilà, et, en tant que citoyen, personnellement, c'est ce que j'ai dit en tant que citoyen. Mais on ne peut pas parler de cette question d'enrôlement. On ne peut pas faire une analyse aussi claire sans parler aujourd'hui du rôle, du rôle et, désormais hybride de l'opposition dans cette affaire de processus électoral. Je pense que à un moment donné, l'opposition, de manière formelle, a boycotté la CENI et continue à ne pas être représentée au niveau de la CENI. Mais nous avons vu et, l'opposition encore de l'autre côté en train de demander à ces militants de se faire enrôler. Nous avons vu des responsables de l'opposition en train d'être enrôlés. et, nous avons vu l'opposition en train de dénoncer des, des, impairs de la gestion. Moi, je pense que et, cet aspect-là, il faut le soulever et dire, et c'est pourquoi les citoyens doivent comprendre combien de fois il est très important de, de se faire enrôler mhm. pour pouvoir avoir un mot. Parce que quoi que tu dises, quel que soit le boycott que tu vas faire, la dénonciation que tu vas faire, si tu n'es pas enrôlé, aujourd'hui peut-être c'est l'opposition les ressources qui seront mieux placés pour dire que nous on ne fait pas parce qu'on n'est pas mais quand ils sont en train ça veut dire que tout citoyen, comme l'on dit, les, doivent aller se faire enrôler. Et d'autres, les questions, moi, je pense, des débats, des dialogues peuvent être suggérés, Mais il faut comprendre que le vote, c'est un droit, c'est aussi un devoir. Et, comme l'a dit et, le, le, plus haut responsable ou un autre a une voix, et moi en tant que citoyen qui vit dans une case délabrée, j'ai une voix. Ça veut dire que c'est la meilleure façon de montrer que tous les citoyens sont égaux devant et, la loi. Oui, hein, parce que une question. pour, la euh, prorogation pour euh, la prorogation, dans tous les cas, voici ce qu'a dit la loi électorale, euh, la loi des collectivités mm. territoriales. Mm. Et ça aussi, c'est la, version modifiée et remodifiée. Comme ils ne veulent pas faire les élections municipales, alors ils ont décidé de, modifier le, code, le, code et pour permettre d'abord de proroger, de proroger les mandats des, conseils existants. et ils ont toujours euh, utilisé ces mécanismes, ces textes-là, pour euh, évacuer les conseils municipaux qui ne sont pas à leur faveur. Mm-hmm. Ou mais ils ont gardé peut-être que ceux qui acceptent de marcher mm-hmm. avec eux. Ils l'ont tellement fait quand même, mais quand même la loi dit que le stade de leur progression ne doit pas dépasser le, le nombre d'un mandat. Mm. Ça veut dire qu'ils ils ont la possibilité parce que le 6 c'est que ça soit 5 ans. Mm. Ça veut dire que obligatoirement, cette fois-ci quand même, ils ont l'obligation de tenir les élections ou alors de remettre en cause, comme c'est même un début de remise en cause en réalité de la véritable démocratie à la base. Mm. Maintenant, ça veut dire qu'à partir de cet instant, il n'aura plus de conseil. Ça veut dire qu'ils seront obligés peut-être, s'il ne font pas les élections, de nommer cette fois-ci eux-mêmes leurs administrateurs mm. délégués. Et là, ça devient flagrant. On comprend que dès le début, c'était ça qu'ils cherchaient. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de régions dans lesquelles là, ceux qui sont en train de gérer ne sont pas légitimes c'est légal, mais ils ne sont pas légitimes. Voilà pourquoi d'ailleurs, on a l'habitude de dire, dans beaucoup de régions, de beaucoup de communes, ils ne cherchent même pas à réfléchir dès qu'on leur demande d'interdire des manifestations, ils l'interdisent systématiquement. Mhm. Parce que ces gens-là n'ont pas en réalité de devoir moral vis-à-vis de leur population. C'est quelqu'un qui les a nommés, ils ne peuvent qu'obéir à celui qu'ils ont nommé. Mais des maires élus vont réfléchir mille fois avant de prendre certaines décisions, mm. parce qu'ils savent qu'ils tirent leur légitimité de l'expression populaire, mais pas de l'expression d'un parti politique ou d'un leader politique. Monsieur Dambaji, vous avez quelque chose à Oui, j'ai quelque chose à dire parce mm. que euh, la question que vous avez posée, c'est une question euh, qui a suscité ma réaction. Pourquoi Parce que ça fait partie du complot que la démocratie nigérienne a été victime mm. dans ce système et ce complot, euh, euh, c'est un complot ourdi et, entre, c'est-à-dire, et ceux qui gouvernent et l'opposition. Parce que le moment où on devrait faire les élections, on a crié, on a demandé que c'est une violation des textes. Mhm. Créer les conditions parce que la démocratie, la démocratie à la base. Et la toute démocratie, dont elle est en réalité faussée à la base, elle n'est plus une démocratie. Aujourd'hui, c'est les textes, c'est la conscience qui les dit que vous pouvez être administré dans les, les, trucs décentralisés qui par des élus. Et aujourd'hui, l'opposition, là, ils ont fait fi de ça. Quand on demandait à la fin du processus qu'ils doivent renouveler, le moment où la société civile décriait l'acte, ils se sont tués. Et ça sous-entend quoi Ça sous-entend qu'ils étaient complices une avec une complicité tacite. Mmh. Et aujourd'hui, depuis cet instant-là, je vous dis que la démocratie nigérienne a pris un coup. Oh ça a pris un coup. Et je vous dis aujourd'hui, ce, système de gouvernement, ne soyez pas surpris à la dette prévue. Face à certains impairs, ils peuvent même nier la loi là, parce qu'ils peuvent revenir encore modifier ça. Parce qu'ils considèrent qu'à un moment, vous ne pouvez pas m'expliquer un fichier à travers lequel le président de la République a été élu, l'Assemblée a été élue, le représentant du peuple, et vous, venez vous dites que le fichier n'est pas clair. Ça veut dire que... Ça veut dire que... Et les élections passées, ça veut dire que ce ne sont pas des élections qui ont été faites de la règle de Donc c'est des choses comme ça, madame, en réalité, quand on demandait au peuple de, de créer les conditions de détenir la carte électorale, ça ne veut pas dire que on a des antipathies avec ceux qui dirigent, mais c'est avec toute la classe politique. toute la classe politique. Et ça va permettre au peuple de faire un bon choix. Parce que parmi eux, il ne faut pas le nier. Il y a, des bons, y des bons éléments, hein. mm-hmm. mais ces bons éléments, on les empêche mm-hmm. de se faire mouvoir dans le système politique. Mm-hmm. Et si Dieu fera que parmi ces éléments, et, qui sont bons, quelqu'un arrive à prendre l'élan de pouvoir se présenter, même pas sous la bannière d'un parti politique ou sous la bannière d'un. en tant qu'indépendant, mais le peuple est soi. Le peuple va le voter pour le placer. Parce qu'il n'est pas évident aujourd'hui. Quand le peuple a le dernier mot et la ses je pense bien que on ne va plus l'imposer un comportement pour qu'il puisse choisir qui les autres veulent. Non, non, c'est ce que lui, il considère comme l'élément essentiel pour l'avènement de, l'avenir de son pays, c'est du, Et c'est pourquoi on demandait au peuple, franchement, euh, mm. de, créer des conditions de détenir leur carte d'électeur à travers l'enrôlement massif pour qu'il puisse vraiment régler des comptes. Moi, je considère parce qu'il a été victime d'un règlement des comptes. Le peuple nigérien a été victime d'un règlement des comptes de la classe politique. Et il ne faut pas croire que c'est ceux qui sont au pouvoir seulement. Même l'opposition, aujourd'hui, si on revient par rapport à l'opposition, on fait un débat honnête. L'opposition dans la gestion de la chose démocratique a failli. Elle a failli par rapport à débat. Ça sera un autre débat. Ça sera un autre débat. Donc, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce débat. Le rendez-vous de la rédaction, le rendez-vous de la rédaction, c'est tous les dimanches à partir de 21h et jeudi pour la rediffusion à partir de 22h30 minutes sur ce plateau. Nous avons discuté euh, de certains points, donc euh, d'ordre euh, d'actualité nationale. Nous avons parlé euh, du 9 février 1990. Nous avons également parlé de l'enrôlement biométrique euh, qui a débuté hier, donc 8 février 2020, pour la zone 1. Nous avons également parlé du réaménagement technique intervenu le vendredi, plaçant donc à la tête du ministère de l'hydraulique le tout nouveau donc qui remplace oui, qui, remplace donc euh, Monsieur M. Kala euh, Moutari. En tout cas, euh, c'est un cadre donc de, Somaïr, un ancien cadre de Somaïr. Lui, c'est tout simplement Mokhtar Gadou Sabo, un député également. Donc voilà, chers invités, euh, sur ce plateau, nous avons reçu comme invité euh, pour en discuter M. Son Allah acteur de la société civile nigérienne. Nous avons également euh, sur ce plateau comme invité M. Daouda Bourema, acteur de la société civile nigérienne, et M. Salia Ibrahim, il est aussi acteur de la société civile nigérienne. Merci à vous, chers invités. On se reprend dès la semaine prochaine, Inch'Allah, pour en débattre de l'actualité nationale. Uh,